notre objectif, on peut dire que c'est un objectif atteint. Là maintenant, on se concentre sur les prochains matchs, Inch'Allah. Euh, on vous a vu sortir sur blessure, euh, on a eu des surfaces c'est quoi exactement J'ai tourné ma cheville en fait, je crois, ah, mais je, suis retombée euh, sur, le pied de quelqu'un d'autre, une autre joueuse. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais on a mis de la glace là maintenant, je peux marcher dessus, donc c'est bon signe. Donc on, prie que pour que je suis là demain, Inch'Allah. Sentez-vous la douleur un tout petit peu, mais on m'a donné des calmants, on a mis de la glace, on va, on va se trapper quand on rentre à l'hôtel et puis euh, voilà, c'est plus fort que le a Réaction victoire Waouh, c'est bien, on a gagné aujourd'hui, c'était l'essentiel et tout. Et euh, on nous jouer comme finale, match bataille. Euh, match pour pour man finale là, il n'y aura pas après demain, tout c'est demain, Inch'Allah, ça se passera demain, Inch'Allah. Est-ce que c'est un match pour mettre Oui, c'est un match pour mettre parce que euh, match pour mettre fille. Euh, dara du yomb parce que ñëpp a bëgg gagner gagné final bi n'a nag on était champion ñëpp a bëgg gagner contre ñun ñun jël nañ suñu matuwaay ba mot sëkk pour man suba demi final amul final mo am. merci beaucoup. déjà vu jouer donc euh, à nous de bien travailler pour pouvoir gagner ce match. donc l'essentiel mon est que ñu qualifier et que qualifié wu nañu. du yomb xam nañ né Mozambique équipe bu mag la mais bon ñun tamit aussi équipe bu mag lañ dinañ gën a góorgóorlu ba xam ne yoon bi metti na mais dinañ ci dinañ dem ba jeex.